Chers euh, auditeurs, euh, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Ce soir, nous allons parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 dans les établissements du Niger, élèves et enseignants des établissements publics et privés du primaire et du secondaire euh, reprendront en effet le chemin de l'école partout au Niger le lundi 4 octobre prochain où en sommes-nous par rapport aux préparatifs de cette rentrée scolaire Quelles sont les attentes des scolaires et des syndicats des enseignants pour une bonne effectivité de cette rentrée scolaire Quelles sont les actions déjà entreprises et les perspectives du gouvernement pour une bonne rentrée scolaire 2021-2022 au Niger Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Monsieur Hamza Ibra, il est le représentant du syndicat national des enseignants du Niger SNN est membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, ASSO et PT. Notre deuxième invité est M. Ibrahim Abdoulaye. Il représente à ce forum le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN. Et enfin, nous avons en ligne au téléphone le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour chers invités et bienvenue au studio Kalangou. À la présentation, je suis Michel Deji initialement prévu pour le 15 septembre 2021 pour les élèves du second cycle du secondaire, c'est-à-dire les lycéens. C'est finalement le lundi 4 octobre 2021 qu'aura lieu la rentrée scolaire 2021-2022 au Niger dans les établissements publics et privés du primaire et du secondaire au Niger. Monsieur Maidoki Bouhari, directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale, D'abord, dites-nous les raisons ayant motivé le ministère de l'Éducation à reporter cette rentrée scolaire pour les lycéens initialement prévue pour le 15 septembre pour choisir la date du lundi 4 octobre 2021 comme date officielle de la rentrée scolaire 2021-2022 pour tous les élèves du primaire et du secondaire au Niger. Je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez pour euh, parler de la rentrée scolaire, des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022. Donc, euh, pour aller directement à votre question, les raisons qui ont euh, poussé le gouvernement à reporter la rentrée, les raisons sont très simples. Ce n'est pas un problème, c'est dû à un petit réaménagement dans notre dispositif institutionnel mhm. du ministère de l'Éducation nationale. Mhm. Donc c'est ce réaménagement-là du dispositif institutionnel qui a, provoqué les report. Hum. Mais je pense que maintenant tout est mis en ordre, tout est OK. Vous, hum. suivez l'actualité comme, moi. Hum. Le ministre, euh, le vendredi dernier, a lancé euh, l'opération de l'acheminement des fournitures scolaires dans les différents établissements. C'était 4 euh, millions de cahiers. On reviendra euh, sur euh, la disponibilité de ces fournitures, la question de leur disponibilité dans quelques instants. Merci à vous, monsieur le directeur. Monsieur Hamza Ibra, représentant du syndicat national des enseignants du Niger SNEN et membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, ASSO EPT. Peut-on dire que ce report a été bénéfique pour les élèves et leurs enseignants Je vais commencer par remercier les studios Kalangou qui, mhm. qui nous donnent toujours l'opportunité de parler de la question éducative au Niger au titre des syndicats, associations et ONG. Les syndicats des enseignants du Niger étaient prêts mhm. depuis la fin de l'année. Ils attendaient juste qu'on lance le jour de la rentrée. Mhm. mais avant, il, il y a des, préalables parce que la rentrée se prépare. Il y a des, des choses qu'on devrait faire comme les conseils de l'éducation mhm. qui, qui se tiennent au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Jusqu'à présent, ça, là, ça n'a pas été fait. Or, ces conseils-là, quels sont leurs objectifs C'est de voir quels sont les, les problèmes auxquels les enseignants, les élèves ont été confrontés l'année passée. Est-ce que ces problèmes-là ont été résolus comment on va faire pour les résoudre avant de lancer cette rentrée-là. Mm. Donc, c'est une bonne préparation. Ces conseils-là vraiment permettent de, préparer une bonne rentrée, une rentrée qui n'est pas politique. Vous avez donc euh, souhaité être associé dans la prise euh, de cette euh, décision de report. Nous avons également comme invité Ibrahim Abdoulaye, qui représente le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN. Monsieur Ibrahim Abdoulaye, à votre niveau, Comment vous avez appris ce report euh, de la rentrée pour les lycéens évidemment, nous avions appris comme euh, nos enseignants à travers les canaux de communication qui existent euh, dans notre pays, le report mm. de la rentrée académique au niveau des différents lycées ou bien sur le plan national. Mm-hmm. Et cela n'est pas une surprise pour nous parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'au niveau du comité directeur de l'ISN, nous disions ou bien nous dénoncions le fait qu'il n'y a pas une réelle volonté au niveau euh, de la tutelle ou bien au niveau des différents ministères en charge des questions éducatives. Vous n'êtes pas sans le savoir, la reprise des activités académiques au niveau supérieur a été euh, ratée mm. Et également au niveau secondaire, nous pouvons, ça risque de nous tromper. Au moment où la rentrée devrait être euh, faite, c'est-à-dire les 15 passés. Si cela a été, euh, si cette rentrée a été faite, ça allait être purement et simplement une rentrée euh, politique. Mhm. C'est aussi une surprise pour nous de voir, malgré ces reports de la rentrée pour le 4 octobre prochain, en tout cas, on constate aucun, aucun, aucun, aucun changement. On ne constate aucune volonté, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il y ait une rentrée effective dans les lycées et les collèges au Niger. Vous n'êtes pas en train de constater l'état d'avancement des préparatifs euh, de cette rentrée. Le directeur en charge de l'enseignement privé qui représente le ministère de l'Éducation nationale a dit qu'il y a eu déjà le coup d'envoi pour les cahiers, mais on va encore euh, lui demander, monsieur le directeur euh, de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale que vous représentez à ce forum, où en sommes-nous justement par rapport aux préparatifs de cette rentrée scolaire 2021-2022 donc, euh, merci beaucoup. Donc, je, je reviens un peu, tout à l'heure, j'ai dit le réaménagement technique euh, du, point de vue institutionnel de notre ministère. Et puis, euh, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a beaucoup de villages et de, villes qui ont été inondées. Mhm. Des de classe ont été occupées par des, par Donc, il faudrait mettre de l'ordre dans ces infrastructures-là qui ont été occupées mhm. avant de les utiliser. Donc, non seulement il y a ces réaménagements techniques, et maintenant encore, il y a, ces, facteurs-là. Mhm. C'est ça qui, qui, justifie en réalité les, les, reports de la rentrée. Mhm. Et je pense qu'on n'est pas en contradiction avec euh, les cadres partenariats parce qu'ils savent eux-mêmes le sentiment de ce qui s'est passé. certaines régions ont été beaucoup arrosées, même, si Niamey n'a pas été trop touché cette année, mais certaines régions du pays ont été sérieusement euh, touchées par cette, présence intempéries mhm. Maintenant, je viens par rapport aux aux préparatifs. En tout cas, les préparatifs, à l'heure où je vous parle, les préparatifs sont presque finis. Les fournitures scolaires sont encheminées dans les régions. Les régions sont en train de les mettre en place dans les établissements. Et, les applications aussi, la première vague a été déjà sortie. Et, les, enseignants sont, en train d'être euh, sont en train de gagner leur place. Et les, tableaux de service dans les, qui doivent servir de pour le démarrage des des enseignements de la plupart des établissements, en, tout cas des écoles que nous avons eu de l'intérieur du pays, ici en ces tableaux de services sont déjà établis. Hum. Donc, on attend uniquement que les J pour que les chefs d'établissement euh, convoquent la réunion des professeurs, la réunion des IP, et automatiquement, dès la première semaine, en tout cas la première dizaine après la rentrée, que le cours puisse commencer. Qu'en est-il de euh, la euh, disponibilité des fournitures scolaires, monsieur le directeur euh? Il y a eu plus de 4 millions de cahiers qui ont été mis à la disposition des élèves, d'une valeur de plus de 2 milliards de francs. Et je pense que c'est un effort gigantesque du gouvernement, qui au mmh. regard aux situations que nous traversons. 4 mmh. millions de cahiers, ce n'est pas, pas une mince affaire. Mmh. Et il faut vraiment saluer le gouvernement que dans tous les pays de la sous-région, c'est seulement le Niger qui continue encore à fournir des, des, des, prestations aux élèves et à leurs parents. Dans les fournitures scolaires, il y a 4 millions de cahiers, mais il y a également d'autres fournitures scolaires, n'est-ce pas, monsieur le directeur oui, il y a, des cahiers, il y a des livres, il y a des, matériels de géométrie, il y a des, petits matériels pour les élèves. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ces fournitures vont être euh, distribuées aux scolaires euh, en fonction de leur euh, niveau Ici, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la DRFM, qui a réceptionné les choses en, relation avec les directions techniques, notamment la direction de l'enseignement général, mhm. la direction de l'enseignement franco-arabe, donc, ce sont ces directions-là qui, se réunissent avec la DRFM pour euh, euh, établir une clé de répartition pour que chaque région, en fonction des nombre d'élèves, et chaque établissement, en fonction des nombre d'élèves, on, voilà la, quantité de fournitures qui lui sera apportée. Mmh. Merci, monsieur le directeur. Hamza Ibra, représentant du syndicat national des enseignants du Niger SNEN e et membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, ASSO et PT. Quelle réaction par rapport euh, à cette disponibilité des cahiers déjà envoyés, disons de façon générale, euh, des fournitures scolaires en vue d'une bonne effectivité de, cette rentrée dès lundi prochain eh, Déjà, en, disant que c'est le vendredi qu'on a lancé et les, les dispatching de, de, de, ces fournitures-là, mhm. et au niveau national pour désintéresser les régions, déjà là, c'est un retard. Mhm. Et dans les 4 millions de cahiers dont... On a une dizaine de, jours, il parle de vendredi passé, c'est une dizaine de jours. C'est le 25. Mhm. C'est le 25 qu'on a lancé ça. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Et je suis sûr que la région d'Agadez et la région de Difa ne sont pas en possession de ces cahiers-là. Et même si elles le sont, combien chaque élève aura-t-il mhm. Il aurait dû aller jusqu'au kit par élève. Mhm. L'année passée, quand ils ont fait ces mêmes tapages-là, les cahiers qui ont été eh, eh, distribués aux élèves, au niveau du collège, c'est un cahier par élève. Mhm. Un bic bleu, un bic rouge. Et on dit que l'État est en train de faire des efforts. Certes, c'est des efforts, mais on il dit, que jusque-là, l'État du Niger, il explique s'il vous plaît que jusqu'à présent, on n'a que l'État du Niger dans la sous-région qui continue à donner gratuitement des fournitures scolaires euh, aux élèves. On peut les saluer, mais mhm. seulement ce qu'on donne, c'est très insuffisant. Mhm. C'est très insuffisant de telle sorte que les parents d'élèves, par rapport aux besoins, les parents maintenant disent, vont dire à leurs enfants, Bon, l'État a dit qu'il va amener les fournitures, ils ne vont rien acheter. Ils s'attendent le jour de la rentrée, le 4 là. Mhm. Maintenant, quand on vient, ton enfant retourne avec un cahier et un bic. Est-ce que mhm. ça là, c'est bien fait mhm. Et bien, les fournitures sont disponibles. Est-ce que les enseignants seront disponibles c'est là la grosse question. Les enseignants, plus de 80%, plus de 80% des effectifs des, des, enseignants sont des contractuels. Et à la date d'aujourd'hui, les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Avec quoi ils vont se déplacer pour aller dans les écoles ça, là, c'est une question qu'il fallait poser. Et pour que la rentrée soit apaisée, il faut d'abord résoudre nombre de, un certain nombre de problèmes posés par les enseignants, les élèves. Mais jusqu'à présent, eh, nous avions, eh, on a eu la chance d'avoir eh, demandé la création d'un comité interministériel pour négocier de tous les problèmes liés à l'éducation. On l'a fait depuis le 18 juin passé. Hum. Et la date d'aujourd'hui, on ne nous a jamais appelé pour discuter des points inscrits, alors des points inscrits sur notre plateforme revendicative, ce qui va favoriser la bonne rentrée et la rentrée apaisée. On ne l'a pas fait. Maintenant, on dit qu'on ah, a, on a fait les fournitures. Et même, les fournitures, ce n'est pas toutes les régions qui seront satisfaites le jour, les quatre là. Mhm. Et dit que dans les 10 jours, Inch'Allah, le cours peuvent déjà démarré. Oui, même, même à Niamey, il arrive que les élèves ne reçoivent pas tous leurs fournitures le même jour, mais le directeur qui représente le ministère de l'Éducation nationale a dit peut-être dans la semaine, les choses vont pouvoir euh, peut-être dans les 10 jours. être dans une situation il a le, le problème beaucoup Qui ne peuvent pas rejoindre, uh-huh. qui, sont dans l'incapacité de rejoindre leur poste. Ça, c'est un. Et les classes la majorité des classes dans les, zones rurales sont en mhm. Et à l'heure actuelle, on n'a même pas fini de faire la récolte. Et c'est avec ces tiges-là qu'on va confectionner les classes. je pense que cette rentrée-là, c'est comme les autres rentrées. Ça sera une rentrée lancée officiellement, mais pour qu'elle prenne forme, il faut au moins un à deux mois. Et c'est ce que nous avions un À deux mois, ce n'est pas trop, vous pensez C'est trop. Mhm. Et on dit, quelque part, on dit, il ne faut pas perdre le temps scolaire. On a même fait un atelier sur la perte des temps scolaire. Ça, là, ça fait partie. Mhm. Ça fait partie des temps scolaire. Parce que les enseignants ne viendront pas. Et même s'ils viennent, les classes ne seront pas disponibles parce qu'il n'y a pas moyen de les faire. Et beaucoup de problèmes évoqués par les enseignants depuis la fin de l'année passée, n'ont pas été touchés. Ils sont jusqu'à présent intacts. Quand vous dites les enseignants ne viendront pas, qu'est-ce que ça veut dire Les euh, enseignants ne, viendront pas, je l'ai expliqué parce que la majorité des enseignants sont des contractuels. 80% des enseignants sont des contractuels. Et à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas été payés. Mais ce qu'ils ont fait de cela une euh, exigence, le paiement C'est notre exigence. Mhm. C'est même pas leur exigence, c'est notre exigence. Vous Nous avions dit que les paiements à terme issus des contractuels, au même titre que les enseignants titulaires, doivent se faire en même temps. Et vous avez lancé un mot pour que... Il n'y a pas de mot hmm. Heureusement qu'il n'y a pas de mot Voilà, c'est ça il faut préciser justement. Heureusement il n'y a pas de modèle. <laughs> Mais le modèle va venir de lui-même. Parce que quand il n'a pas de moyens, comment tu vas te déplacer hmm. il, y a, des anciens qui sont actuellement dans leur village natal. Maintenant, comment ils vont faire, comment ils vont, avec quoi ils vont se déplacer Ils vont vendre les milles qu'ils ont récoltées non, c'est pour euh, pallier à ces problèmes-là que nous avions prévenu l'État de mm. payer les enseignants contractuels au même titre que les titulaires. Mm. Et ça, là, ça va permettre d'apaiser au moins un temps soit peu les choses. Mais vous êtes enseignant titulaire, vous percevez votre salaire, il faut trois ou deux semaines pour que l'enseignant contractuel perçoive son salaire. Mm. Ça, là, c'est un problème. Et les, recrutements à la fonction publique que nous avions demandé depuis 2014, c'était bloqué. Les enseignants contractuels sont en train de vieillir. Il y en a qui ont 45 ans. Là aussi, l'État n'a rien dit. Nous avions, c'est le seul corps dans, la fonction publique qui est bloqué depuis 2014 pour un avancement au choix, depuis 2015. On a fait 2016, c'est sorti en 2020. 2018, 2017 est fait, jusqu'à présent, ce n'est pas sorti. 2018, 2019, 2020, on n'entend même pas. Mhm. Regardez. Donc, et le partenariat entre l'État et nous, en tant que structure syndicale, n'est pas respecté. Mhm. Parce que si ça n'est un, Regardez les préparatifs de la rentrée. Nous devrons être impliqués de plein pied. Les partenaires, tout comme nous, tous les partenaires, les parents d'élèves, les élèves doivent être impliqués dans la préparation de, la, de cette rentrée-là afin qu'elle soit une rentrée réussie. On comprend bien que vous avez donc tout un chapelet de revendications. Il faut préciser que la plupart de ces revendications datent euh, déjà de plusieurs euh, années scolaires. il y en a qui datent depuis 2018 toujours on reconduit, on reconduit. Mais maintenant, comme nous, avons, des nouvelles autorités, on, on va, oui, on, on, va parce poser... ils ont même euh, montré mhm. leur engagement de bien faire pour que cette éducation, cette école nigérienne sorte des sentiers battus. Mais jusqu'à présent, c'est un acte. Mhm. C'est en, parole du moins. Nous allons tout à l'heure poser la question au représentant du ministère de l'Éducation nationale. Le temps d'écouter également Ibrahim euh, Abdoulaye, qui est le représentant donc du comité directeur euh, de l'Union des scolaires euh, nigériens, USN. À votre niveau, quelle lecture par rapport à l'état d'avancement de ces préparatifs de la rentrée À chaque fois, les mêmes discours de nos autorités revient. Mmh. Nous avons une réelle volonté de changer les choses. Nous faisons de l'école notre priorité, mais très malheureusement, c'est le même problème à tous les niveaux. Nous, en tant qu'apprenants, nous concevons mal qu'on puisse dire que c'est lui qui nous dispense des cours. C'est lui qui nous aide vraiment à aller à la recherche du savoir n'est pas payé, ça veut dire qu'il n'aura pas la vocation de travailler. Nous concevons mal qu'on dise que non, c'est le même problème. Les enseignants contractuels, pour être payés, il faut 40, 50, et 40 45 ou bien 50 jours pour qu'ils soient eh, payés. Mm. C'est cet état, cet de fait en sorte que notre école n'est pas du tout crédible. À notre niveau, pour réussir, franchement, une bonne rentrée, mm. je dois préciser avant de donner ces détails, et au niveau de la région, ici à Niamey, mm à l'heure où je vous parle, le gouverneur a pris eh, cette question de rentrer à bras le corps. Mhm. Il est actuellement avec nos représentants de la section lycée et collège. Ils sont en train de sillonner les différents établissements, que ce soit les établissements publics et privés, pour s'enquérir des conditions d'avancement de, cette rentrée. C'est une très bonne chose. Mais cette même volonté n'est pas en train d'être constatée eh, au niveau des régions. Mhm. Nous avons fait un tour de, de, nos différents représentants pour leur demander est-ce que les gouvernorats, les différents gouvernorats les ont reprochés ou bien les différentes directions régionales, ils nous ont dit c'est ce n'est pas et, ce n'est pas ce n'est pas fait. Donc pour revenir pour réellement réussir cette rentrée académique, il l'a dit et lui-même les, les directeurs de l'enseignement privé, mhm. l'a aussi dit, il y a un certain, il y a des préalables. Et ces préalables, au niveau des, syndicats, au niveau de l'ISN, nous considérons que ces préalables ne sont pas jusque-là, et, nous ne nous, l'avons pas obtenu. Pour avoir, ou bien pour réussir cette rentrée, il faut d'abord qu'il y ait parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, il faut qu'il y ait des enseignants disponibles. Mhm. Et nous le savons, le manque qu'il y a des enseignants dans nos établissements est un véritable problème. Pour réussir cette rentrée, il faut, parce qu'il y a deux ans ou trois ans de cela, on nous a promis ici même dans la capitale qu'on aura une école avec zéro payote. Mm. Mais malheureusement, cette promesse eh, n'a pas été eh, eh, respectée. Donc, pour réussir cette rentrée de cette année, il faut vraiment dès maintenant que les autorités s'attellent à ce qu'on ait les classes en payote là, parce que les, les nombres ça croît d'année en année. Et cette année, nous allons. Nombre qui le nombre, le, nombre des élèves qui s'assoient dans les classes des 6 dans les classes des, secondes, et même les transferts des parts, et d'autres. et, d'autres. et un troisième point pour réussir cette rentrée académique 21-22, c'est la question des fournitures parce que nous avons appris d'une autre source, vous avez posé cette question au directeur de l'enseignement privé, nous aurions appris que pour cette année, le gouvernement compte mettre à la disposition des élèves au niveau des collèges et, ou bien au niveau des écoles primaires, un cahier, un cahier, au niveau des collèges, des cahiers, des cahiers, et au niveau des lycées, trois cahiers, trois cahiers. Nous disons alors au gouvernement que l'ISN ne va pas accepter cet état de fait. On nous parle des, et par-ci des 2 milliards, par-là des 4 milliards. Nous ne savons pas quelle est la voie. Il a 4, 4 millions de 4, cahiers 4, <coughs> pour un coût d'environ 2 milliards de francs. Et quelque part, on nous dit aussi le coût total fait plus de 4 milliards. Et nous concevons mal qu'on Lui, il a dit environ 2 hmm? milliards de francs. Lui, le directeur a dit, mais d'une autre source, on nous a informé que c'est 4 milliards. Nous n'allons pas accepter qu'on puisse dire que non, on va donner un cahier, deux cahiers, trois cahiers à nos camarades. Lorsqu'il parle que dans la sous-région, c'est seulement au Niger que l'État est en train de faire cela. Mais il faudrait aussi savoir que dans la sous-région ou bien sur le plan mondial, le Niger est le dernier. Les chiffres, les chiffres d'affaires de nos parents laissent à désirer. Hmm. Nous sommes les derniers pays du monde. Et alors, pour pouvoir quitter ces rangs peu enviables, il faudrait que l'État aide. les parents. il faudrait que <laughs> l'État soit là pour l'école. Parce que ce qui nous cause véritablement les problèmes, c'est l'école. Mhm. Ça ne va pas à l'école. L'école nigérienne, elle est malade. Et pour faire sortir cette école des sentiers bâtis, il faudrait que l'État fasse réellement de la question de l'école sa priorité. Monsieur Boiry, représentant du ministère de l'Éducation nationale, euh, quelle réaction par rapport à toutes ces revendications Avez-vous la conviction réelle que tous les enseignants sont prêts pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Donc j'ai écouté les paroles de mes prédécesseurs, euh, les camarades syndicalistes et mon question moi, tout ce que j'ai dit, je ne suis pas pessimiste. Quant à la capacité du gouvernement à relever les défis. Parce que, vous l'avez long souligné, l'école euh, nigérienne traverse des, situations difficiles. Mhm. Il reste optimiste quant à la capacité du gouvernement à, résoudre progressivement ces, problèmes-là. Mhm. tout à l'heure, on a parlé des. De, vous savez, moi, euh, ce qui me, ce qui, ce, qui me je ne peux pas faire des informations gratuites. Mmh. Tant chose, je ne je, la pas, je ne peux pas me prononcer. Mhm. Dire que. Euh, euh, et puis, moi, je ne me pas sur des rumeurs pour, pour, pour, pour, me prononcer. Ça, n'est pas possible. Mhm. Maintenant, tout ce que je c'est que plus de 4 millions de cahiers ont été mis à la disposition des régions. Mhm. Et ces régions-là ont des stocks importants de l'année dernière qui n'ont pas été utilisés. Maintenant, avec les nouveaux stocks, avec la nouvelle livraison, plus l'ancien stock. Mhm. C'est formidable. Mhm. Donc, écoutez d'abord les directeurs régionaux, peut-être que vous allez vous approcher d'eux. Nous, on ne peut pas ici au ministère que qu'un élève va avoir tel cahier, un élève va avoir tel nombre de cahiers. Mais les directeurs régionaux, en fonction des anciens stocks et de, la nouvelle livraison, ils sont les plus habilités à, dire voilà ce qu'un élève va avoir. Mais je suis sûr que ça, sera supérieur à ce que vous venez de dire. Mhm. Euh, qu'en est-il euh, par rapport euh, à la construction des classes payotes Est-ce qu'il y a des solutions en perspective pour remédier à ça Non, les solutions, moi je vous dis tout à l'heure, je ne suis, pas, je suis pas pessimiste, mhm. parce que toutes les dispositions, les instructions ont été données au gouverneur à travers les messages radio pour que ces cette là puisse être montées, en tout cas à temps. Ça, je ne peux pas être formel dire que le 4 octobre, le 4 là, les pipes seront, seront disponibles, mais je sais que le retard sera insignifiant. Mmh. Maintenant, quant à la, revendication pétinaire que les camarades ont souligné, ça vraiment c'est un débat qui est là peut-être, euh, qui peut faire avec, euh, avec l'autre structure, mais je sais que Rien ne prouve que les contractions ne seront pas payées aujourd'hui, demain ou après-demain. Et je suis sûr que d'ici le 4 octobre, beaucoup de choses peuvent se, passer. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a des réformes en cours suite à, la fusion des ministères de l'enseignement primaire et celui du secondaire La fusion des deux ministères a eu pour conséquence la création de nouvelles structures hein. au niveau central, au niveau régional et au niveau départemental. Donc il faudrait tout harmoniser avant que cela, euh, avant la rentrée. Mhm. Et, voilà pourquoi on, s'est dit que euh, si on, maintient la rentrée, le 15 septembre, on sera vraiment dans une situation de confusion. Mhm. Pour éviter la confusion, donc, attendant que tout soit mis en place avant de la, rentrée. Maintenant, tout est mis en place. les mais au niveau central, toutes les structures sont, sont prévues de leurs responsables. Uh-huh. Au niveau des régions, tous les directeurs sont nommés. Au niveau des départements, tous les, tous les directeurs, les directeurs départementaux sont nommés. Au uh-huh. moins, là, on peut aller au, démarrage des activités académiques pour l'année 2021-2022. Merci beaucoup, Monsieur Hamza Ibra, représentant du syndicat national des enseignants du Niger Isnen et membre de la coalition ASSO-EPT. Cette euh, fusion est-elle bénéfique pour l'ensemble du système euh, éducatif euh, nigérien Pour ce qui est de la fusion des deux ministères, euh, celui du secondaire et du primaire, ça a daté depuis longtemps. Mhm. C'était des réformes qu'ils ont eu à faire des années durant et ils ont vu peut-être les limites et maintenant ils ont jubilé. Dans les temps, c'était le même qu'on connaît. Mhm. Et c'est le même. et à travers ce même là il y a eu des directions qui s'occupent du secondaire et des directions qui vont s'occuper du, du primaire. Là, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que maintenant, c'est les compétences qu'il fallait utiliser. Mhm. Il faut mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut et non choisir des gens par euh, leur euh, parti politique ou bien par leur option politique. Et c'est là où on va rater cette euh, fusion-là. Si on met des gens qui ne sont pas très compétents, et pour gérer les deux, par exemple, quand on va dans un département, c'est le DEDEN, Direction départementale de l'éducation nationale. Et en bas, nous avons l'inspection secondaire, l'inspection de l'enseignement euh, secondaire général, et on a l'inspection de l'enseignement primaire qui sont coiffés par les DEDEN. Mhm. Donc, si ces DEDEN-là euh, a des capacités et il a des méthodes d'approche pour essayer de voir, de regarder un peu partout les problèmes qui se posent, ça là, il n'y aura pas de problème. C'est une mhm. bonne chose. Et ça va même limiter euh, des, choses. Par exemple, quand on voulait nommer, par exemple, des enseignants du primaire comme, euh, euh, comme surveillant, surveillants, comme bibliothécaire, mhm. dans les temps, il fallait qu'ils fassent des demandes de redéploiement pour être dans l'autre ministère de l'éducation secondaire, de l'enseignement secondaire. Or, maintenant, c'est le même ministère. Mhm. Donc, le problème là est, réglé. Donc, le, le, clou de, de tout cela là c'est d'avoir des gens compétents. Si on a des gens compétents à, la tête des départements, à la tête des régions, donc le problème sera définitivement réglé et la gestion même sera facile. C'est votre point de vue. Donc, euh, Monsieur Ibrahim Abdoulaye, représentant du comité directeur euh, de l'Union des scolaires euh, nigériens, USN, de votre côté, quelles sont les attentes pour une bonne effectivité de cette rentrée scolaire 2021-2022 Nos attentes sont d'abord au niveau eh, de ces ministères, parce qu'il reste quelques jours pour euh, cette rentrée, c'est de créer les conditions pour se prendre entre et le ministère et les partenaires sociaux que nous sommes. C'est très capital. Le dialogue permet de résoudre tout. Tant qu'on va se regarder droit de léger, on va eh, échanger, on va se parler, je suis convaincu que nous finirons par nous comprendre. Mhm. Nous savons pertinemment les différents défis auxquels notre pays fait face. Mhm. Nous savons que cette question d'insécurité pèse beaucoup sur notre trésor public. Nous savons pertinemment aussi que nous qu'il y a des choses qui sont possibles dans l'immédiat. Il y a des choses qu'on peut attendre à court et moyen, moyen terme. C'est pourquoi nous nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de ne pas, c'est-à-dire s'approprier la même attitude du ministre de l'Enseignement supérieur, parce que nous, en tout cas au niveau de l'ISN, nous avons foi au propos du président de la République. Ça fait aujourd'hui quelques mois qu'il est eh, en place. Il nous a réussi, il nous a dit, voilà sa politique, voilà sa vision, voilà son engagement et que ses portes sont ouvertes pour tout dialogue. Si le directeur de, de, l'enseignement privé dit qu'il ne va pas se fier, n'est-ce pas, au RIMER, c'est vraiment son droit le plus absolu, mais, mais c'est des de leur demander de ne pas procéder à la distribution d'un cahier, d'un cahier ou de deux cahiers ou de trois cahiers. Le minimum que nous, nous voudrions avoir au niveau surtout des lycées, c'est d'avoir et c'est de mettre à la disposition de nos camarades cette cahier. Ça, c'est quand même le rôle, c'est le devoir de l'État, c'est le rôle de, notre gouvernement de créer les conditions pour que les enfants des pauvres soient dans les conditions optimales mmh. d'étudier. Ils ont eu cette opportunité au moment où ils étaient sur les bancs. C'est l'école publique qui les a propulsés. L'ancien président l'a dit dans son discours que l'école est une ascension sociale et nous voudrions que l'école d'aujourd'hui puisse également être cette ascension sociale pour l'ensemble des, des, Nigériens. Dans, toujours dans le cadre de nos attentes, vraiment, de faire en sorte que nos enseignants soient payés à terme échi, qu'il n'y ait pas des arriérés par rapport à leur pécule, parce que nous, nous avons ce souci aujourd'hui de combler les trous d'intelligence ou bien les trous de connaissance. Mm. C'est-à-dire que nous avons ce souci d'apprendre. Nous avons opté vraiment un comportement responsable ces trois dernières années où nous avions largement diminué nos grèves, parce qu'on est taxé d'être le problème pour l'école et nous nous sommes dit lors de notre dernier congrès qu'il faut vraiment, c'est-à-dire maintenant, opter la voie du dialogue. Mais nous sommes en train de constater que c'est comme si quelque part il n'y a pas, c'est-à-dire cette volonté d'écoute de la part de nos gouvernements. Mm-hmm. Donc, les paiements à terme échu de nos enseignants, de, nos enseignants les paiements également à terme échu de la reprise de l'ensemble de nos camarades qui sont bénéficiaires et, des allocations. Cela leur permettrait en tout cas non seulement d'avoir un minimum qui va leur permettre d'acheter la tenue parce que les allocations, c'est une aide que eh, le gouvernement apporte pour, pour les orphelins. C'est important de les, faire, mais c'est aussi important de doter nos établissements de ces classes en période pour pouvoir permettre eh, un bon eh, démarrage des activités et, académiques. C'est surtout le dialogue et surtout et surtout le dialogue. Il faudrait que les ministres nous entendent. Il faut qu'ils appellent l'ensemble des acteurs et de l'école pour parler, pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, pour qu'on puisse avoir une rentrée effective et non une rentrée politique. Merci beaucoup. Vous souhaitez donc euh, une prise en compte euh, de vos revendications et le renforcement du dialogue entre acteurs de l'éducation et le ministère en charge de l'éducation nationale. Monsieur Maïdawaki, Bouhari, directeur euh, de l'enseignement privé, représentant du ministère de l'Éducation nationale, quelles sont les perspectives du gouvernement pour une bonne réussite de cette rentrée scolaire 2021-2022 et redorer le blason du système euh, éducatif nigérien dans son ensemble Donc, merci beaucoup. les perspectives du gouvernement sont déclinées dans la politique euh, du gouvernement à travers la déclaration de politique du Premier ministre. Donc, quand vous prenez ce document-là, vous allez, euh, vous allez tout comprendre que vraiment le gouvernement est vraiment, vraiment engagé euh, euh, pour, donner à l'école nigérienne mmh. la place qu'elle mérite dans les concerts des nations. Et je sais que avec l'engagement du ministre actuel de, l'Éducation nationale, je sais que ce défi-là, il sera progressivement levé. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail est immense. Il faut être patient. Parce que rien ne peut se faire la précipitation. Mais je sais qu'avec la patience, je suis sûr que cette montée là nous pouvons la dépasser. Mhm. Et je, suis, remercie les personnes qui viennent de, me précéder par rapport euh, euh, euh, à, la, révision de leur comportement qui est devenu plus. Nous sommes vraiment disponibles maintenant à accompagner le gouvernement à travers la nouvelle euh, vision de l'ISN par rapport à l'école. Vraiment, je, les, remercie très bien et je les demande de continuer. Parce que, euh, comme vous l'avez dit, l'école, c'est le socle de tout développement. Mmh. Et un pays où l'école euh, va mal, son développement sera à jamais compromis. Mmh. Et je suis très fier aujourd'hui que la jeunesse qui incarne l'ISN est, euh, euh, euh, consciente de, de, cet état de fait. Mmh. Et, donc, de plus, le gouvernement sera accompagné pour, pour, pour, la situation. Mmh. Donc, je, je, vous dis, la rentrée, les ministres, les, mêmes soucis que quand même, mon là, c'est les mêmes soucis quand même le ministre. Son souci, c'est de réussir une bonne rentrée scolaire. Son souci, c'est de, de réussir une bonne année académique pour que les examens de 2022 soient réussite totale à la hauteur des espoirs placés euh, par les candidats. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Hamza Ibra, représentant du syndicat national des enseignants du Niger Sinen et membre de la coalition ASSO EPT. Nous l'avons entendu, les nouvelles autorités ont promis de faire du secteur éducatif euh, une de leurs priorités. Comment envisagez-vous accompagner l'État dans la bonne marche de l'éducation au Niger On a entendu euh, vos revendications et il vient de dire que le ministère fera son possible pour que ces revendications soient euh, prises en compte et c'est votre souhait exprimé il y a quelques instants. Donc euh, les déficits de communication entre les partenaires créent un grand vide. Donc il faut éviter de ne pas communiquer. Mhm. Et le premier souci que j'ai, c'est au niveau du comité interministériel créé depuis le 18 juin 2021. Ce comité doit jouer un rôle, euh, un rôle de, euh, médiation. Mhm. Il doit d'abord et, faire tout pour éviter le problème. Mhm. Il ne faut pas attendre pour que les problèmes réagissent. Et c'est en ce temps-là qu'on va jouer au sapeurs pompier pour appeler les partenaires pour discuter. Mhm. Et pour faire cela, nous avons déposé une plateforme. Et cette plateforme, nous savons nous n'avons pas dit immédiatement tous les points que nous avons inscrits sur cette plateforme doivent être réglés immédiatement. Il y a des points qui peuvent être réglés à long terme, à court terme et à moyen terme. Mhm. Par exemple, euh, la, question des paiements à terme échu, ça là, l'État peut faire ça. Mhm. Comment on peut comprendre On paye un titulaire, il faut deux semaines pour payer un contractuel. La rentrée, là, il n'y a aucun mot d'ordre la rentrée sera effective du côté des enseignants. Mhm. Mais est-ce que ça va durer si on continue dans cette même lancée c'est-à-dire le problème que nous avions déposé reste entier mhm. et on veut que l'école continue et la rentrée, les enseignants continuent à, aller régulièrement. Et ce problème, tout d'abord, c'est le paiement. Nous-mêmes, ce n'est pas des métiers de cœur qu'on pose euh, euh, des problèmes. Et mhm. d'abord, les problèmes que nous posons sont des problèmes vitaux. Mhm. Comment est-ce qu'un enseignant peut aller enseigner tranquillement alors il n'a pas payé ses loyers ça, là, ce sont des problèmes vitaux. On ne peut pas échapper, on ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas les mettre dans, dans, des problèmes de seconde zone. Ça, là, c'est des problèmes qui ne doivent pas attendre. Il y a aussi le problème d'affectation. On vous affecte aujourd'hui, mais pour vous allez aller à votre propre frais d'une région à une autre. Et c'est avec le maigre salaire que tu as eu là en fin de ce mois-là, c'est avec le même salaire que tu vas préparer ton déplacement pour aller par exemple à Difa, à Agadez, alors que tu es à Tilabiri. Mais pour te rembourser, il faut 4 ans, 5 ans. Et d'autres même disent que ils ont, ils ont relâché, ils ne, peuvent plus. Hum. Ça là, dans l'État, c'est l'État qui fournit les véhicules dès qu'on vous affecte d'une région, au moins on va t'amener dans les chefs-lieux des régions. C'est à vous toi d'aller. des solutions par rapport à tout cela. Par rapport à tout cela. Un mot pour terminer alors, parce que nous sommes pratiquement par rapport à la tous fin ces, de ce forum. Par, rapport à tous ces problèmes, l'État ne avons, peut pas tout prendre en compte. Euh, on le sait bien dans l'immédiat, mais le souhait pour que la rentrée soit effectuée dans la première semaine. Il y a la bonne volonté du gouvernement, mhm. euh, du président de la République, qui l'a maintes fois rappelé. Mhm. Dans son discours d'investiture, il l'a dit. Il a fait quatre axes selon lesquels comment on va intervenir pour régler la situation définitive de l'école. Mhm. Et dans la politique générale, euh, dans la DPJ, déclaration de politique générale euh, dite par le Premier ministre le 15 avril passé, il a aussi insisté sur l'éducation. Mais on est au mot. Jusqu'à présent, on est au mot. On attend les actes. Mhm. Il, faut au même, il faut quand même commencer. On doit commencer. Mais euh, l'initiative ou bien l'engagement, c'est bien le président s'est engagé personnellement pour changer l'état de l'éducation au Niger. Ça, mm-hmm. c'est un bien. Pourquoi Parce que lui-même, il est un enseignant. Mm-hmm. Ça, c'est un. Et de deux, il a présidé le comité interministériel qui négociait avec les partenaires de l'école pendant au moins quatre ans. Mm-hmm. Là aussi, c'est tout et tous ces problèmes-là, tous ces avantages réunis qui fait que le président a un bon engagement. Mais seulement, ça reste au discours. Mais sinon, les, ce qu'il dit là et ce que le gouvernement dit, même les syndicats et les, étudiants, c'est ce qu'ils vont dire. Mhm. Tous les mots ont été cités, mais comment les solutionner c'est là la grande question. Il y a donc une grande question qui est là. Un appel pour terminer. Ibrahim Abdoulaye, représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, par rapport à toutes ces revendications, il l'a dit, il y a sérieusement des problèmes, mais il précise qu'ils n'ont pas de mot d'ordre euh, donc, euh, pas d'intention de boycotter cette rentrée, mais je souhaite que les conditions soient réunies. C'est Un appel euh, par rapport à tout cela. Notre appel ou bien notre vœu au niveau de l'ISN, mm. c'est de demander au ministère de l'Éducation nationale mm-hmm. de prendre en compte d'ici cette reprise nos quatre préalables. Mm-hmm. Ces quatre préalables, c'est d'abord un, une meilleure distribution des fournitures scolaires. Mmh. Le deuxième point ou le deuxième préalable, c'est le recrutement en quantité et en qualité des enseignants. Mmh. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que nous faisons face à un sérieux problème des enseignants dans nos établissements publics. Mmh. Le troisième point, c'est la dotation des établissements en classe payotte. Le quatrième point, c'est le paiement aussi des, des, de nos camarades, si ces quatre préalables, les allocations, les allocations mhm. si ces quatre préalables ont été pris en compte par le gouvernement, nous, en tout cas au niveau de l'ISN, nous allons s'allier en tout cas leur comportement et nous allons les accompagner. À défaut, nous allons sévir au moment opportun. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot d'ordre de boycott euh, Nous n'allons pas, en tout cas, nous sommes en mhm. pleine concertation et nous sommes en train d'attendre, voir en tout cas la suite à donner par le gouvernement par rapport à ces préalables de l'ISN et au moment opportun, l'ISN dégagera sa position par rapport à la rentrée. Merci beaucoup. Monsieur Maïdawaki Bouhari, directeur de l'enseignement privé, représentant du ministère euh, de l'Éducation nationale. Avez-vous un message particulier à livrer pour terminer à l'occasion de cette rentrée qui s'annonce pour le lundi 4 octobre prochain Donc, euh, merci beaucoup. Mon message, euh, vraiment, c'est un appel que je lance euh, à tous les acteurs mhm. pour que cette rentrée soit une réussite historique. Mhm. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour que cette rentrée soit une réussite euh, historique. Mhm. Les présidents de la, République, les premiers ministres l'ensemble du gouvernement ont donné euh, la preuve qu'ils accordent à l'école un rôle de premier ordre, assurément après la sécurité. Donc moi je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un, président visionnaire, un enseignant de carrière qui connaît la situation de l'école, comme l'a dit les, les camarades. Donc on ne va rien lui apprendre, il connaît tout. Et seulement soyons patients parce que rien les, les, les problèmes sont, si nombreux et si profonds mhm rien ne peut se faire dans la précipitation. Mhm. Mais une chose est certaine, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que cette rentrée soit une réussite. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le directeur. Euh, chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème préparatif euh, de la rentrée scolaire 2021-2022 euh, dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire au Niger. Nous retenons qu'il y a plusieurs euh, revendications des enseignants et des scolaires qui n'ont pas encore euh, trouvé satisfaction du côté des autorités en charge de l'éducation. L'USN, par exemple, a posé des préalables. Il s'agit d'une meilleure disponibilité des fournitures scolaires. Il s'agit également de la question de la disponibilité des enseignants et surtout des enseignants de qualité. La question de la construction des classes payotes mais également la question du paiement des allocations pour aider les élèves orphelins à bien effectuer cette euh, rentrée prévue pour lundi prochain. Nous avons également les revendications des enseignants qui sont également multiples. Ils ont à leur niveau également souligné la nécessité pour les autorités de renforcer le dialogue entre tous les acteurs en charge de l'éducation. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir participé à ce forum. Nous étions en compagnie de Hamza Ibra. Il est le représentant du syndicat national des enseignants du Niger, ISNEN, e et membre de la coalition des syndicats, associations et ONG pour une éducation de qualité pour tous au Niger, ASSO et PT. Notre deuxième invité est Ibrahim Abdoulaye, le représentant du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN. E et enfin, notre troisième invité qui était en ligne, c'est monsieur Meidawaki Buhari, Il est le directeur de l'enseignement privé, représentant du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir euh, suivis. Au micro, c'était Michel Degi pour la présentation de ce forum à la technique Mustapha Yuba. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre le forum de la presse du studio Kalangou. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.